salam alaikum Guédiawaye info yéen a ngi info tey ni on est là au Jibop pour participer si fermeture bi nga xam ne 5 cinquième édition festival Guédiawaye by rap bi nga au feu Sarenzo donc durant une semaine def nañ ay activités def ay spectacle tey juguñ ñu ngi si fermeture bi Guédiawaye info ñëw teewee leen ko di ngeen gis tout à l'heure euh, ay artistes yoo xam ne dinañ fi on wax ñu seen impression ak nañ lañ gisee Guédiawaye by rap bi nga cinquième édition dédiée au au feu Saranzo tey a nii ñu ngi ji donc on est là avec euh, Zenix Moudon Ben, benn artiste boo xam graffiti en même temps aussi salam la donc mu ñëw à cette cinquième édition festival Guédiawaye Baye Zenix mën nañ xam impression si si si cinquième édition Guédiawaye Baye bon

mais les ma ci vont frapper, frappé li ma ci marqué hip hop Fou Malade c'est vrai que c'est le président de la structure il est à la tête de la chose mais c'est une personne vraie pourquoi c'est une personne vraie parce que dans mon talk, il ramener Tu ci une édition une conférence de presse wala nous wala comme une conférence et ramener échange le débat sur quelque chose mu toog jël parole Sarenzo da don tok limuy wax ni ci mom limuy wax ni ci mom bimu fi nekulé quand il était là loolu la don wax ci mom té man pour man loolu moy nit nit gërëm ko ci bamuy dund tu vois gërëm ko ci bamuy muy dund te Malal def na loolu et je pense que c'est une chose bo xamante c'est un acte à saluer ce ce genre d'acte yo xamante ni dañ ko war di ci baye xel parce que suba ken xamul yalla rek a xam ñu ñëpp dañoo nekk ay ndaw di ànd di dem ñu ngi nekk ci mouvement hip bi man Africulture benn laa nekk ji hip tey ji ak Africulture benn comme ay comme ay ndey ak baay benn la rek voilà lu lu xew Africulture waa ji hip hop ñu ngi fa lu xew ji hip hop waa Africulture ñu ngi fi te ñu ngi ñaan yàlla mu continuer incha allah di dem lu sore sore sore mais comme ni ma ko doon wax dañu ci war a jàngat jàngat bi mooy que Malal mu ngi def loo xamante ne nii gars yi war nañ ci di ci bàyyi xel mooy nit ki. ci dundam li muy def wan ko encourager ko gërëm ko bu fekkente ne defal na la bu fekkente ne def na lu tax yi jëm kanam wane ko wax ko ci kanamu nit ñi tu vois te def na loolu te loolu bëggoon naa am fu ma ko waxee donc yow yaa ma tàllal sa micro moo tax ma wax ko fii et tu es la première personne qui ma tàllal micro du festival donc je me dis que voilà quoi fii am c'est un geste qui m'a vraiment marqué. Je suis ak Paco euh, détective donc mi nga directeur du directeur festival bi donc cinquième édition dédiée à à feu Sarenzo donc Paco après une semaine d'activité une semaine yi nga def spectacle yi au niveau fermeture bi tey nii nii nii concert fermeture bi ce lañ nga ñu mën wax après une semaine. après une semaine je dirais que même si je je n'ose pas dire satisfaction totale on a une satisfaction de manière générale en quelque sorte parce que ku mobilisation bi mobilisation bi nga les faral nañ ci conférence yi ay thèmes de haute facture les jeunes yi di ñëw ak nga panélistes ñuy partagé L'on déjà man dafa l'essentiel c'était de pouvoir regrouper n'est-ce pas la jeunesse de Guédiawaye la jeunesse de la banlieue autour voilà d'une plateforme pour qu'ils voilà, pour qu'elles puissent partager, échanger, discuter autour de la culture voilà, hip-hop. loolee suñu borom suturaal nañu parce que festival chaque année nous nit ñi même buñ defagul communication C'est sax jox festival bi dina am dina am ren partenaire de taille muy maire de la ville de Guédiaway, moi, délégation bi délégation gis nous ñuy dugg ambassade suisse nous avons permis permettre ba graffeurs yi ngay gis ak graffeuses yi nga xam ñu ngi Suisse nous, mën a mën a

indi benn common sense yombul ben talib kuel un waxi nopp mais xamna naa ne ci avec le futur Dina ñew bu fekkee ne ci sous région bi doon nga fi gis ñom Smoke et autres donc euh, mun naa wax ni festival bi mi ngi suivre son petit bonhomme de chemin Et bu doon bébé tay ji jappal ne taxaw na ci ay tankam dox moko dess té inshallah amna allah dina dox. Ok, papa. donc euh, on a vu qu'on a une satisfaction totale par rapport à l'organisation. Nous avons rendez-vous en 2019, Inch'Allah. Oui, nous avons rendez-vous, Inch'Allah, 2019 même date bi nous allons maintenir du 22 au 29 di ñaan voilà nous ñëpp ñu ce fekkee ren ñu wat ko déwén wat ko ci kaw peace love unity and heaven fun. once again big up et maximum de respect donc euh, à tous les crews qui sont passés et à tous les crews qui vont passer tout à l'heure mais one love to my bro Sarenzo rest in peace jaajëf ñu ngi fi woon ak Paco mi nga xam ne moom mooy directeur festival bi Guédiawaye Baye Rap donc ñu xaar yeneen artiste léegi léegi Guédiawaye Info euh, défilé artistes yi donc on est la cinquième édition Guédiawaye Baye Rap donc tout ça ñu lay laaj par rapport à sa participation ak comment tu as vu cinquième édition Guédiawaye Baye Rap bi ñu au feu Sarenzo. waaw ah, donc une très belle initiative ah ndaxte chaque année ñu ñëw fi fete ko ndax ñun doomu Guédiawaye lañ Guédiawaye lañ dëkk Guédiawaye lañ am donc mënul xewle te du ñu ñëw teewe ko. donc euh, si way bay Rap chaque année mom buñu féké fék ñu ci wër ak jamm fék ñu Dakar dañuy ñëw euh, bëggee ko ak suñuy fan suñuy mbokk suñuy xarit ndax té naa ne ñi taxaw ñi tay ñëpp suñuy rak lañ suñuy mag suñuy sœur. donc voilà une très belle initiative encore chaque année muy gëna a di gëna a rafet di gëna a ñu ci gis ay nouveau talent yu yu bess chaque année donc c'est c'est une fierté pour man damay ñaan yalla yalla yok ki koy def yalla yok ñi koy def. pour que chaque année ñu koy gën a mën di def muy gën a taaru donc c' est vraiment un hommage ren ñu ñu tëjee ko koo xamante ni fii la yàgg a nekk di fight fii la yàgg yàgg a nekk di participer si si initiative yi même di initier ay projet donc ñeneen ñi di ko support donc euh, duñ wax lu dul euh, di remercier ji hip hop donc euh, di sa Sarenzo si di ko rendre hommage si année ñaata édition lañ nekk sax sixième cinquième waaw donc cinquième édition fekk Guédiawaye baay rab donc ñu taxaw fekk benn ndaanaan muy Cap Besseuse from Dalifort from Foukenkou donc Cap lan mooy sa impression par rapport ak clôture bi nga xam ne ça fait une semaine Guédiawaye Baye Rap cinquième édition lan moo si sa impression. waa impression bi mooy so dañuy sant yàlla sant bu baax aussi xam ne bisu bisu tiis la woon mais je pense que bisu mbégte la parce que cinquième édition bi dañ ko dédicacé dañ ko dédicacé Sarenzo. te te bu ñu waxee Saareen Sow Sow dañuy wax un jeune boo xam ne c'est que solo ci quartier bi et puis daf ñu inspiré ñun ñëpp ci liggéeyal suñu quartier moom moo ñu jëlee si nekk ay rapport kese pour ñu mën a nekk ay activiste liggéey li nga xam ne mooy développement wu quartier bi te tey jii nii moom moo nekk le père fondateur de J-Pop ba lii nii yëpp mën a am et Sow ci ay tiraillement la ñu commencé woon ñoom ñëpp seen biir moom moo cessez le feu ne la dañu war a nekk ndootu geese pour ñu liggéey bu mën a avancé tey bu ñuy gis tey muy nekk décembre pour man Guédiawaye moi dàq ci Dakar depuis cinq ans et je pense que loolu fierté pour beaucoup jeune bu mais aussi pour de jeune bu dëkk ci banlieue bi so pour man mbégte la amaat de fi nekk maa fi depuis le 22 chaque jour fi laay nekk ba ba concert yi jeex ma ñibbi so je pense que loolu le quoi family le et puis Guédiawaye for life ji pop forever man ok merci Cap donc Cap euh, ñu lay wax yow kon yow kontaan nga si cinquième édition bi nu mu déroulé donc yow tu dis total réussite quoi. yeah total réussite et puis na suuf sare si gawam brother Sarenzo rest in peace man. waaw ñu lay bàyyi nga souhaiter bonne année au yi nga xam ne ñoom ñooy seetaan Guédiawaye info. waaw mais xam nga atum naa tàngee atum xëwal atum mbëgeel atum gis-gis bu leer yàlla na yàlla def jàmm ci Sénégal ak li ko wër one love peace for all yaa zunu mu mbedd Fucking Cook mu ngi ci wéy bi yow bra jaajëf toujours Guédiawaye info donc ñu nekk fekk ina par rapport ak euh, clôture cinquième édition Guédiawaye Baye Rap donc euh, édition bi ñu dédee ko woon ko au feu ñu bëgg xam sa impression par rapport ak une semaine yi nga xam ne def nañ ko ay activité au Djibo euh, maa ngi nuyu ñëpp festival bi pour man le ñu koy pérenniser déjà ñu si cinquième édition bi et que chaque année d'évoluer et que une semaine bi genre c'est bon pour tout ce qui est genre population Guédiawaye bi ñu gëna xam liggéeyu ji hip hop biir Guédiawaye mais aussi ñi nga xamante ils sont au dos parce qu'on fait un direct sur la 2 TV. et que li li nga xamante ne moom moo ëpp importance ci cinquième édition bi moy le fait que ñu tuddee ko Sarenzo nga xamné euh, c'est le fondateur, genre, c'est lui qui a eu l'idée de, de Gedewa Hip Hop. Et que Téléphone des locaux genre, tout ce qui était comme activité, façon, Boumoudon, qui c'est hip hop, genre, engagement. Donc je dis que vive nous allons finir la cinquième édition et qu'on attend la sixième, Inch'Allah. on a vu que Kerok euh, concert un mon campanal, on a vu que vous participez activement de faire don Donc, faire euh, Donc, lola bougon par rapport à tout ce que vous avez apporté de la euh, cinquième édition. Oui, oui, en fait, euh, visite au campanal, il faut savoir que G-Hip-Hop, euh, centre réinsertion là en même temps. Donc c'est des gens qui sont tout le temps présents dans ces prisons et donc visite Bobo, c'est quelque chose de pérenne Nous def participation mon en tant que Gunji hip association des femmes qui sont dans les cultures urbaines Nous avons donner comme visite bobo amna. nous soutenir ji hip hop visite parce que naturellement nous doon dem parce que dañuy participer ce festival mais aussi euh, trouver un moyen d'aider genre parce qu'en même temps si vous visite bi non deux jours avant dañu une émission Pape Sidi Fall ma génération mouine et bi mu mujjee camp femme yi dañ doon wax serviette dañu et il a tout de suite interpellé Genji Hip Hop bu ngeen ci mënee def donc on s'est dit on a juste deux jours mais mën nañ def donc si lañ defee collecte serviettes serviettes ay des ay omo homo, de javel yóbbaale ko au même moment que visite bi et c'était assez intéressant pour nous et que c'est quelque chose que nous dañ pérenniser ok donc qui euh, m'a donné ina donc nous recevoir par rapport au clôture donc ina balaa ngay dem nga bonne et heureuse année à tous les internautes de Guéjoy TV Guédiawaye TV euh, ñu ngi leen di souhaiter bonne et heureuse euh, at bii di ñëw di 2019 yàlla na yàlla yokk sutura yokk xewal yi euh, ñu mu dàq bi bii nii 2018 bi incha allah. incha allah merci